li wax ni wax ci Ndaw euh, la ci imam Ndaw mais je suis moko dab ba cadre du génn manam dafa perdre voix mais am lum bin lo mom lay donc c'est moi El un autre frère de avec qui j'ai vécu et j'ai suivi ses idées depuis notre jeune enfance. Imam est un enfant prodige. Si les autorités qui l'avaient arrêté s'étaient bien renseignées sur son compte, elle aurait euh, une autre conception de sa personnalité. Toute sa vie, il l'a passé à étudier et à enseigner dans la sobriété et l'humilité, dans la bienfaisance et l'honnêteté. L'État lui doit récompense et non torture, comme ce fut le cas. Seulement avec les moments que nous vivons sur la scène internationale, tout prêcheur comme Imam Daou qui dénonce la laïcité et la franc-maçonnerie sera la cible des lobbies maçonniques et de leurs partenaires. À Macky je lance un appel pour qu'ils se ressaisissent. Attends, Il faut éviter de faire du tort aux innocents surtout aux hommes de Dieu, à Marabou, homme religieux, chef de confrérie, je le demande poliment de rejoindre Imam Daou dans sa lutte pour que les règles de l'islam soient enfin appliquées dans ce pays à 95% musulmans. C'était la lutte de leur père et de leur grand-père.